Euh, nous sommes avec euh, Mohamed Diaby, 5 de la Guinée. Euh, monsieur Diaby, merci d'être à Touba. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ce qui vous a poussé à venir ici Bon, mon je vous remercie infiniment sur le, plateau de TV Touba, je crois. Bon, je suis recommandé par le Khalif général de Touba, El Surba Diaby, pour venir assister le, grand magal de Touba Maké. Euh, on est rentré hier soir euh, vers 21h bon, pour venir participer. Euh, le grand remerciement que le, Touba a demandé pour tous les citoyens du monde. C'est notre visite. pourquoi est-ce que vous, qui êtes de la Guinée, avez jugé utile de venir ici à Touba donc, aussi, cette relation, lesquelles qui fait euh, euh, des centaines d'années, c'est pas daté d'aujourd'hui. Donc, vis-à-vis de le, politique de deux pays qui a fait que la relation a un peu, un peu euh, retenue. Mais à part, pour le moment, on essaie de rétablir les relations, liens spirituels qui, qui entre les deux Touba, le Touba de Fouta Dialon et le Touba de la République du Sénégal de Serine Touba. Voilà, pour pour, la communication spirituelle et des prières mutuelles, etc. etc. Euh, qu'est-ce qu'un Guinéen peut-il savoir de Serine Touba Est-ce que Serine Touba est, si aimé en Guinée Serine Touba est reconnu en Guinée. Parce que euh, ce qu'on appelle le, le le passage de Serine Touba, il a fait séjourner en Guinée, particulièrement à Kaza et Conakry avant qu'il allait à Mauritanie et le Gabon et tout cela. Donc c'est une trace lesquelles, surtout particulièrement nous les Diakanké de Touba, de la Fouta on connaissait une Touba très très bien. Donc euh, même tout à l'heure là, ça fait quelques jours de là, le 6 décembre, on avait de grandes fédères comme celle-ci, qui a été organisée, je suis le membre de celle-ci. Bon, il y avait de, il y avait de, messages que Cher... Cher, euh, Mortar, euh, le calife général de, de, Mourid, avait envoyé des messages, euh, envoyé des personnes lesquelles qui sont assisté ce jour-là. Donc, ce qui veut dire que bon, nous ne sommes pas des étrangers à, Touba. Vous non plus, vous n'êtes pas des étrangers à Touba de la République de Guinée. Qu'est-ce que vous retenez de Serine Touba Bon, ce que j'ai retenu de Serine Touba, c'est ce qu'on dit au Mankane lillah, Kana voilà, ce que tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Ce qu'elle a fait pour son, son, Créateur, se retenir là, bon, c'est universel. Donc c'est un mot lequel que je ne peux pas me déterminer, être plus fort que moi. Ouais. Donc les Africains gagneraient à suivre l'exemple de Serine Touba Beaucoup, beaucoup, particulièrement nous les, les nous les de la République de Guinée. Très très bien. On devrait apprendre beaucoup d'exemples. Parce qu'on dit l'homme c'est un exemple qui suit un exemple, qui est devenu un exemple. Donc Hossein Touba c'est un grand exemple pour, le, pour le passé et pour l'avenir aussi, pour tous les musulmans dans le monde entier. Euh, qu'est-ce que selon vous Touba a fait pour la religion musulmane Beaucoup. Beaucoup. Ça veut dire qu'il est parmi les piliers mobiles de la religion musulmane, surtout en Afrique de l'Est ici. Voilà. Donc, sans, sans euh, il a lutté d'une manière laquelle qui n'a pas de, de, larmes, mais lutte par le, par le foi Et, et c'est le, c'est le, et, et le lutte le plus difficile, ce qu'il nous avait transmis à tout le monde. Voilà. Mm. Voilà. Euh, bah, Touti. <laughs> voilà euh, sëñ Mohamed Djabi euh, yow yaa fi teewal tey Touba bu Guinée euh, lan moo tax ngeen bokk ci ñëw fii ci Touba tey. Hmm bon euh, man suis initiateur euh, de gymnase de deux villes saintes je que ce qu'on appelle olof Serral. wala ne leen moo ñu war nag même maay chef de délégation at yi yëpp moom parce que moom maa dee affaire bi ko hmm. euh, foofu ci Guinée lan ñoom lan lañu jàpp ci Serigne Touba Serigne Touba li ñu fa jàpp comme ni ma ko waxee ci français daal bon du tey lu yàgg la euh, Serigne Touba ak njabootam ak taalibeem duñu fa gan voilà duñ fa gan euh, comme niñ fi fii euh, ñu nit duñ fi gan euh, jaaru jaaru seigne Touba jaar na Sénégal jaar na Guinée comme niñ ko waxé dal même dem ba daaw sëñ Seydou Mokhtar yónnoon fa ay conférencier ay express ñu demoon fa demoon ba Guinée dem Kankan dem Casa. Euh, Conakry jóge foofu dem ba Touba Touba boobu jot euh, jot fa ay image andi woon na ko am image yi bëri ñu bëri gisoon nañ ko xam ne nag bon jaar jaar jaar jaar sëñ amoon na ci Guinée te Guinée comme euh, fonk nañ ko bu baax te gëm nañ ko am na institut national bee xam ne école la sax Ahmed Sékou Touré moo ko tuddee sëñ Touba waaw <laughs> Conakry Euh, sëñ Mouhamed Dia bi lan ngeen jàpp ne Serigne Touba moom la def ci diine islam ba mu am bis bu mel nii. bon li mu def ci lislaam comme ni ma la ko waxee ci tubaab ku def ku nekkal yàlla yàlla nekkal la voilà nekkal yàlla nag moo gën a jafe mais bu pour yàlla nekkal moom yomb na te amul limite voilà euh, xaadim la xaadim wasiya ñëpp koo bokk bon parce que boo demee ba demee doon xaadim rasul xam nga yonent bi mu fépp yàlla ko yónnee fépp yàlla ko ci mbindeef lépp loo xam ne yàlla sàkk na ko bu sëñ Tuubaa dem ba demee xaadima xaadima yonent boobu nag xam nga ñoo ko bokkoo mooy aawul mooy aaxir mooy ñi xam ne yàlla bindal na lañ ak ñoo xam ne ñoo ñëwaguñ ci àddina si ak ñi fi nekk lii ñoo ñëpp xaadim ñëpp la waaw loolu daal initiative boobu ñun moom lañ jël loolu ñu tax a ñëw loolu tax ñu gëm sëñ Tuubaa gëm ñi ko wër yëpp joom gëm ñi ay njabootam ay taalibeem yëpp amuñ ben différence amuñ ben distinction. laaj bu mujj euh, jumelage bi nga def Touba bu Guinée ak Touba bu Sénégal fan la toll. bon fi mu toll ñu ngi ciy liggéey euh, Cheikh euh, Bachir Abdou Khadre général maa ngi koy ñaanal baax. yàlla na fi yàlla yàgg ak projet yi xam ne yoroon na waxoon nañ waxoon nañ ci lu bëri bëri ne ñun ci liggéey ak euh, ñi ko wër ma ñoom Cheikhouna Lamine Bara Fadilou ak euh, Cheikh euh, Mamour Mbacké kii ñi gisoon naa ko léegi Paris Paris ak Nantes invité wu nañ ba ci ñu demoon ci ay communauté jaaxanke yu bëri ñu demoon ca le 2 octobre la woon mooy journée nationale bi ñuy def Sëñ Touba bi ñu marche boobu ñu def Paris voilà ñu ngi ci liggéey liggéey ju liggéey ju bëri pour wecc lépp loo xam ne ñaanam yàlla la ñaanalante xamante fekku ci laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah ba fekk sëñ Tuubaa fi ñu ko war a fekk voilà lool daal loolu mu ñu ngi ci liggéey ñu bokk taalibe bàkku jaahiran wa baatinan lépp loo xam ne daal mutuelle euh, euh, relation mutuelle la et spirituelle ñoo ngi ñu ngi ci liggéey bu baax maa ngi leen gërëm ci bu baax te man maay comme ni ma ko ci jëlgaan gi je suis les euh, initiateurs bon lool nak euh, jàppalante ñoom wa kay seigne Tuubaa ñu ci liggéey bu baax baax baax wan nañ man ne ne tànk kanam lañ yoré amuñu tànk gannaaw murit a mel non nak ñu ne nag ñu ne ay ay xaadire la ñoo xuri booy wax xaadire moom lay murit ñoo bok hmm, maa ngi leen gëm bu baax di leen sant ci téway bi ak téway bi xamné délégation seigne euh, seigne sëñ Sëñ Moxtaar na fa cheikhuna lamine Baara jiite ko jité ko ak Haruna bu sëñ Modou sëñ Moutada ak euh, mo mo ak euh, Cheikh Cheikh Lo ak ñoom euh, comment dire Touba Silla voilà ak ñeneen ñeneen ak jëwlin gi nekkoon Conakry ñoom it ñëwoon nañ fa ay délégation bu rëy rëy voilà maa ngi leen sant.